vous avez bien fait de soit euh, choisir la magie de la télé pour vous divertir, mais aussi et surtout pour vous informer. C'est la magie de la télé. Et ce n'est pas pour rien qu'on nous surnomme la DTV, la magie de la télé, parce que l'information authentique, authentifiée, vérifiée et vérifiable même, c'est ici. Euh, sur la chaîne de télévision La DTV. Ravi de vous retrouver encore une fois de plus, Sophie, chers téléspectateurs de La DTV. Comme tous les mercredis soirs, je vous dis encore euh, bonsoir. actualité politique c'est xam-xam dafa match wal wàll et aujourd'hui euh, Tombeck, nak li nga le dernier numéro de cette année ñom am lool di ci dalal ko xamante xam-xam la kangam la ci wàllam woowu aussi euh, dinañ ci dikkat tout à l'heure waye bala ñuy yaatal ni ñu koy defee saa su nekk chers téléspectateurs c'est un pacte entre nous et vous euh, ni ñu koy defee vous savez que il est là, le représentant de la DTV, et, euh, notre consultant S-Qualité, docteur Fall, que nous allons euh, rejoindre au niveau donc de, euh, du pays, au pays de Marianne, direction Grenoble. Nous faisons que c'est notre consultant S-Qualité. docteur Fall, <laughs> bonsoir à vous. maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. Euh, maa ngi lay nuyu di Sénégal yu ñu seetaan yëpp euh, au Sénégal. Mhm. mais également ñu ñuy topp également au niveau de la diaspora. di am mbégte ak mhm. plaisir bu mag comme ni ñu koy defee di àndaat ñoom euh, ci mercredi bi pour seen émission question de mhm. mais dañ koy saa su nekk dañuy door waxtaan wi ak li nga xamante ni da di xabaar yi ñooñal suñu mbokk yi nekk foofu xam naa ni. Si vous avez un taux record de contamination de Covid 19. que ce soit en France ou aux États-Unis en tout cas en Birmi, eh, dans na waar effectivement non, nga ko Le record là. Mm. ñu le mercredi bi y eh, a plus de 200 000 eh, cas de Covid 19. Mm-hmm. donc mu record boo xam depuis que Birmi commence commencé à se ñu te euh, loolu nag li ko waral mooy euh, variant bu bees bi nga xam ne dugg si na mu beex euh, Omicron. Mhm. ak mu jaxasoo ak beneen variant muy le variant Delta donc ñoom ñaar ñëpp nag di def ay ay ay jéego mag ci wàllu contamination bi ba tey jii ñu am. taux boo xam ne taux bu jéggi day walla donc rax ci dolli ñu am daanaka plus de lu toll ci deux cent quarante deux mille en fait deux cent

Euh, maîtriser Ça va être un coup euh, du reste très dur, on va dire difficile même pour l'économie, parce que ça aussi, c'est... Euh, ça fait partie des effets pervers du coronavirus, au-delà même d'être une crise sanitaire. Et ce soir, nous avons l'insigne de voir sur ce plateau en mode euh, vidéoconférence. Je pense bien que la technologie nous a permis aussi

Euh, participer dans l'essor de ce pays ci aussi Sénégal il se nomme Moussa Abbala Fofana il est donc directeur de compte Banque euh, nationale du Canada il est consultant aussi international en financement planification euh, conduite de projet il est ancien aussi conseiller technique du cabinet de décentralisation du gouvernement du Sénégal donc en une année quasiment de 2012 à 2013 et il se

may remercier euh, ki nga xam ne véritablement euh, dafay andi un bu am solo ci émission bi à chaque fois que ma koy suivre. Mhm. mooy le docteur euh, Ngagne Demba Fall di représentant de la diaspora c'est toujours un plaisir de le voir faire des développements. Mhm. donc yaakaar naa ne tey suñu téléspectateurs yi ñuy suivre ñu nañ mën a am waxtaan woo xam ne Sénégal rek mooy tax. Mhm. ñu discuter xool suñu réew naka lañ ci nañ naka lañ ko wan mën a jàngatee. ba am ci ay doxalin ak i gis-gis yu nga xam ne dina mën a tax réew muy gën a jëm kanam mhm. donc euh, may profité nuyoo waa diaspora bi yëpp nuyu téléspectateurs yi ak ñëpp ñu ngi Mhm. Et il se réclame un, grand Bawal Bawal parce que Bawal, il l'a dans le cœur. <laughs> Ça, c'est plus fort que n'importe quoi d'autre. <laughs> voilà, voilà, merci beaucoup. Eh, mais pour entrer dans le vif du sujet, je pense bien que euh, vous avez sans nous doute suivi tout à l'heure un peu la situation avec ce taux euh, record en France. On l'a vu aux États-Unis et dans d'autres pays on ne cessera jamais de le parler aussi la Covid-19 au-delà même d'être une crise sanitaire qui est euh, peut-être une euh, analyse par rapport à la situation actuelle euh, au niveau mondial. La Covid-19 c'est une crise sanitaire mais crise sanitaire elle nga failli impacter un lien social important la confiance. parce que a créer des distances day tax euh, les nit ñi dem beeg dikk bi day wàññeeku te économie ku ko xam-xam ne dem ak dikk dafa nekk élément bu bu bu important ci ci économie circulation des biens et des matériels covid 19 dafay obliger nit ñi ñu ñu ñu réduire lépp luy transaction réduire lépp luy déplacement ak aussi benn benn climat bu muy créer xam nga économie bu naa bu ma naan l'économie confiance daf ci am solo même la bourse, l'endroit où on voit est-ce que les gens ont confiance, est-ce que les gens investissent, est-ce que les gens prennent du risque. Bourse, moi, l'indicateur le plus important du système capitaliste. Donc, et qui est un élément où on mesure la confiance des acteurs économiques. Coronavirus par limite créé, insécurité, euh, absence de certitude, euh, ralentir l'activité commerciale et créer un climat d'incertitude. Et faut ralentir les investisseurs de ralentir la production revoir leur production à la baisse l'entreprise, entreprise une c'est priorité Nous naka sauver l'existant nous la produire leurs ramener de du du du écouler conserver leurs employés ils sont tous en mode position conservatrice la nuit la parce que l'avenir est incertain et quand l'avenir est incertain, il y a moins de logique d'investissement. Euh, aussi il failli demander euh, à nos organisations, que ce soit des organisations gouvernementales comme économiques, que nous menons mettre en place des stratégies de, résilience, prendre les nouvelles technologies, nous adapter, de nouveaux processus, de nouveaux dispositifs. Parce que, à coronavirus, mot compliqué, compliqué, nous n'avons pas le choix, il faut aller de là. Donc, la question c'est, il faut qu'on avance, mais il faut qu'on avance différemment. L'autre, le coronavirus c'est un enjeu différent, ça tape sur la confiance, ça amène de l'incertitude, ça ralentit les interactions et ça nous oblige à revoir nos manières de voir et de faire. Mmh. Donc c'est un dilemme, on peut dire que c'est un dilemme véritablement cornélien. En tout cas, les États n'ont pas le choix. Il faut qu'on avance aussi. Euh, Gagne, pour entrer dans le vif du sujet avec notre, invité de ce soir, émission question de l'heure le tout di actualité parce qu'on parle aujourd'hui d'un entretien exclusif et on le remercie aussi de passage il a eu l'amabilité euh, de nous réserver li nga euh, wi ndax bind na ko ki nga xamanteni moy le président Ousmane Sonko euh, ay bés bi ñu wess ci la génn ba légui sax ñi ngi nekk ci li nga xamanteni mom moy euh, walum publication walum autant pour moi vulgarisation beeg yu mel noonu que nous Sénégal commencé ko di approprier ci lu bare bëri gis nañu sax librairie bi nga xamanteni moko moo en tout cas librairie bi nga xamanteni moy mooy exceptionnellement ubbi nañ li nga xamanteni moy le dimanche pour permettre à ces nombreux aussi lecteurs ñu ñëw mëna am livre bi lé mais bala ñu ci dugg du aussi parce qu'on va jeter aussi un regard dans le rétroviseur pour parler un peu de l'actualité qui a dominé durant donc au courant de, cette année 2021. Il sera question aussi de parler de cette actu brûlante même, euh, le, train express régional, le TER, donc finalement, euh, enfin, dirais-je même, euh, en tout cas, on a eu la mise en circulation commerciale. Donc, ci le lundi le lundi un commentaire et finalement. Euh, le débat, depuis un certain temps, on a parlé un peu de ce coup. il euh, y a eu beaucoup de spéculations autour de ce coup. Et le président de la République, le président Macky Sall, a finalement lâché euh, le morceau. Il a dit que euh, li nga le coût il s'élèverait donc autour de 780 milliards de francs CFA et la répartition aussi la clé de répartition un commentaire peut-être par rapport à euh, TRB. on a spéculé sur la priorité on a spéculé sur li nga le coût que certains ont jugé exorbitant un commentaire pour la nuit ci yenen ponk alors le, le coût déjà 780 milliards c'est ça l'emprunt. Le coût de l'emprunt, c'est ça l'emprunt, c'est le montant qu'il a emprunté. Mais il ne, il ne vous a toujours pas dit c'est quoi le coût de l'emprunt. Nous, nous waxante rek simple bor avons 780 milliards mais banque bor 780 milliards loolu montant d'une mu mais soyez remboursé tu rembourses plus je vous donne juste une simulation vous simple 780 milliards remboursés sur une période de 30 ans ci le taux de 3 c'est près de 327 milliards de plus que tu rembourses. Hein? Donc, ah est-ce qu'on dit la vérité au Sénégalais Parce qu'il faut, il faut que les, choses soient claires. Est-ce que 780 milliards, c'est venu avec un taux d'intérêt nañu wax quel est le taux nañu wax quel est le période d'amortissement. 3 et de mon pour exemple parce que généralement c'est autour de ça même si on ko à 2 sur une période de 25 ans on tombe à 200 milliards d'intérêts. donc beaucoup rajouter on est près de 900 et je pense que 3% la donc vous vous bu bu le coût de l'intérêt le coût de l'emprunt Et le monde képp kuy beaucoup xam le coût de l'emprunt donc on koy calculer parce qu'il yaa koy fay 780 milliards plus près de 300 milliards si on si on se dit 3% sur 30 ans on est à 1000 milliards taxe boulot. et là 300 bu de bi noir. wax bi ci j'ai eu la chance, en tant que conseiller technique du gouvernement du Sénégal, de représenter ce département de l'aménagement et des collectivités locales au niveau de l'APIX, euh, l'agence en charge des grands projets de l'État. Mm-hmm. Euh, une possibilité un projet d'État ça a été fait sous période de Wade beaucoup c'était en 2012 et lui nous remarqué Mon projet ni gouvernement il gère les projets. projet évalués, évalué par exemple ça va coûter 100 milliards attends-toi à ce que vous projet bi buñ le coût final d'une monter entre 25 à 50 de plus je peux donner l'exemple de l'AIBD au début c'était aux environs de 250 milliards environ on a terminé terminé c'était plus de 400 milliards donc TRD, vous nous bolé avenant avec erreur erreur d'emprise ni ni gérer les les projets dina dépasser donc bo xolé le coût d'emprunt de bolé. Euh, taxe taxe impôt plus les marges d'erreur ak avenant ça va dépasser le coût donc j'aimerais juste que quand on euh, maintenant je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des investissements il faut faire des investissements c'est important mais il faut dire les choses telles qu'elles sont donc si, je, vous entends, bien euh, Moussa moi, mm-hmm. le président Ousmane Sonko n'avait pas tort de dire que le coût dépasse largement les, les 1000 milliards mais bien sûr et puis le monde bi muy wax waxul mm. d'emprunt il a juste parlé mm. TVA et Yoyou. en plus 300 bi la mais pour dougoulé le cours d'emprunt ça ils n'ont pas le choix parce que c'est l'AFD qui nous a financé mm -hmm. trésor public avec banque islamique de développement donc ils vont devoir nous dire quel est le taux d'intérêt de ces emprunts va rajouter quoi plus maintenant tout ce qui est TVA parce que oui, yëpp sénégalais donc il faut dire aux sénégalais -hmm. ce qu'ils doivent payer tout simplement que nous ramener investissement bi li le coût maintenant on va aller vers une autre niveau de discussion Pour nous né ce li ñu def ci projet bi dans les 1500 milliards minimum est-ce que on est-ce que logique de dépense wala dañu wara logique d'investissement mhm. parce que Terre bi c'est une dépense alors que je te donne un exemple L'Afrique Afrique du Sud ils avaient le même problème même enjeu il fallait nous mettre en place des trains pour régler le problème de la mobilité à l'échelle du pays. Ils ont préféré, au lieu de dire comme nous, 1500 milliards dépenser quoi, dem jënd ay train andi ba noppi fay nit mu ñuy gérer te ki ñuy gérer moom amul responsabilité ci bénéfice bi day gérer fayee ko ay salaire am ba présenter facture déficit te li ma leen wax loolu moo parce que. 115 000 personnes la terre de Waradjel, chaque jour pendant 12 mois pour des bénéfices de 40 à 50 milliards par an et je vous ai dit que les dépenses sont montent ko près de 1000 milliards combien d'années la pour rembourser terre mm. donc montant humain tu ne fais pas de dépenses tu fais des investissements là, Afrique du Sud nous avons lañ Nous créer une entreprise sud-africaine ba noppi woo Alstom ne ko ñëwal la suñu entreprise bi ngeen co-entreprendre produire ay train ñun ñu l'Afrique du Sud a mis environ 2400 milliards Alstom andi xam-xamam répartition de Afrique du Sud a environ 30% des parts ils ont fait une installation de classe mondiale en Afrique du Sud ils ont commencé à produire depuis 2018. ils vont produire 580 trains train bu minimum 6 voitures chaque année, ils ont une marge de production de 62 trains. En 2018, c'est le premier train sud-africain, Dauna. Près de 1000 pièces, l'année d'appareil 250 activités industrielles et 4700 emplois. Pour calculer l'angle Afrique du Sud de gagné premièrement bu entreprise bi et bénéfice en somme amut choix de Bénéfices parce que dafa créer entreprise Afrique du Sud contrairement à ce nga a fait pour donc Alstom est obligé de faire des bénéfices en euh, Afrique, du Sud. 100 ah, 000 francs pour créer Afrique du Sud en 30 000 bénéfices pour faut am day fay impôt Il appui salaire à ah, euh, près de 4 700 salaires aux, Sud-Africains Si les partage de richesses. l'État sud-africain les entreprises, l'entreprise sud-africaine, entreprise plus les, les salaires qu'on paye, l'État sud-africain, la nation sud-africaine est largement, est largement gagnante sur ces questions là Donc, la question, c'est pas de dire terre, bi, sort le terre. On a besoin des trains. Trains, ils régler les questions économiques et les questions de mobilité à l'échelle régionale. Mmh. Mais encore une fois, quand tu mobilises des sommes d'argent, deux générations nous, près de 1500 voire 2000 milliards il faut co-entreprendre il faut viser d'avoir des parties actions, il faut transfert de technologie il faut payer des salaires il faut payer des impôts ce qui ne sera pas le cas avec le projet de terre. c'est une position de question D'accord. Merci beaucoup Bala. On retourne la, euh, question, un commentaire, Ngagne, un peu par rapport à cette histoire. On a parlé du coup. on a parlé de priorité. Nous euh, Moussa nos collègues. Et maintenant, euh, est-ce qu'on dit réellement la vérité aux Sénégalais en tout cas beaucoup ont fait cette comparaison n'est pas raison en tout cas les ñu yor de toutes les façons à leur niveau ils ont essayé tant bien que mal de justifier euh, maintenant Kadou gi la que au Sénégal Et de loin ou bien de près euh, commentaire un peu par rapport à cette histoire. effectivement Mansour bon permettez-moi d'abord nous nuyu bu hum. à a et puis euh, de saluer également kham euh, Khamom avec pertinence avec également engagement également pour le Sénégal parce que Mansour pas y pas toujours en fait euh, je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de Sénégalais qui sont au niveau de la diaspora et qui pouvaient rester là, faire leur vie mm-hmm. et ne pas se soucier de ce qui se passe au Sénégal. Mais loin de, ce confort-là, ils se sacrifient même donc, pour apporter le peu de connaissances que nous avons pour euh, faire le Sénégal un petit Je pense que tous ces euh, gens-là qui se mobilisent, euh, je pense que mettre qui va pour le Sénégal. donc mon peuple, na ci ak ñeneen peut-être xamuñu mais nous jouons le rôle bu am solo ci réew mi et peut négliger donc par rapport à la question de Mansour je pense que nous wax na ci lu solo par rapport au coût d'investissement euh, parce que je pense qu'effectivement, euh, investissement, qu'est-ce que nous ci parce que Réou, investissement moment mooy taxal mu dox ñun réew aujourd'hui quand on parle de euh, de train express régional en France am image euh, France je pense que tout le monde ne dañuy un train express régional donc il faut que nous c'est un développement Il leen fa yóbbu ñu à un certain moment pour régler un problème crucial il a fallu et que nous créions un Express régional. C'était pour développer effectivement les régions, pour faire au niveau des régions, pour que l'économie à dire nga bëgg a jóge Grenoble dem Lyon donc rapidement man nga dem doo am benn jafé jafe du bëggee lion Lyon dem Marseille rapidement man nga dem te fait. am train express régional nous, n'y nekk à l'étranger nous xam nañ côté du tax c'était pour développer les territoires ça c'est clair mhm. maintenant euh, les am ba des euh, train bi ñëw na investissement bi dugg na xaalis bu dem ba paré la euh, li ñuy wax moy effectivement naka lañ wara def aujourd'hui ba rentabiliser effectivement tout cet argent là qui a été investi ba peut-être rien à dina mën a jur njariñ bala je pense que wax na ko sànq ci élément éléments d'explication yo xam ne indi nako sur jafé jafé yi nga xam Sénégal nan la ko am pour mën a rentabiliser euh, xaalis boobu yëpp et que euh, je pense que euh, comme que jaan bi dem na ba pare du ñu topp rek di ci ci WhatsApp bi du door on va essayer de voir en tant que sénégalais naka lañ mën a encadrer tout cela pour que au moins li nga xam ne dugg na ci ci xaalis sénégalais yi mën ci jariñoo et que beneen affaire bi aussi bi nga xam ne ñoom l'état du Sénégal moom la wax peut-être bàlla na ci mën a ñëw xool ba xam c'était pour soulager effectivement une partie euh, de la population sénégalaise bo xamné dañ doon am jafé jafé ci dem bi ak dikk bi mhm. et je pense que loolu aussi au-delà de l'investissement peut-être ñom japp nañ ni loolu bokk na ci li tax ñu gëna def terre bi investissement la d'accord il y a beaucoup de milliards mais en partie également c'est pour répondre à l'exigence euh, des populations sénégalaises en termes de transport mhm. c'est important euh, bala peut-être bu féké am na lu ci bëgg lu ci bëgg yok rek allez-y mhm. bëgg na ci yok ñaari point yu am solo xam nga dafa wax lu am solo daf ne train express régional L'histoire nous apprend que c'est dans les années 1990 déjà, qui réforme décentralisation, nous tire les grandes régions de la France, d'Orléans la mission de chef de file du développement économique. Ce sont ces grandes régions, nous avons SNCF pour nous la ligne, les lignes express entre régions. Donc, très express régional doit aller d'une région à une autre ñu ñëw suñu train bi en réalité mënaguñ ko sax tuddee train express régional train express urbain lañ ko war a tuddee parce que génn wala wala tramway wala tramway tramway lañ ko waroon tuddee tramway lañ ko waroon tuddee mais waruñ ko tuddee train express régional parce que doo ko war a def de région à région et dafa war a nekk lu express warul am arrêt yu bëri parce que loolu loolu la waroon a man bu fekkoon ne train bi dafa jógee Dakar dem Thiès damay applaudir par rapport ak préoccupation bi bi notre cher ami wax ne ben à Dakar, on, a ben problème de circulation, problème de congestion. Mhm. Je veux qu'on s'arrête sur pour analyser pourquoi Dakar a un problème de circulation des hommes et des marchandises. Mhm. Origine B, ce n'est pas que Dakar a une reproduction démographique extraordinaire. Origine B justement, on a tellement fait d'investissements à Dakar mhm. que Dakar devient ce qu'on appelle un territoire attractif. Nous sommes une zone de convergence. L'évolution de la population de Dakar est plus impactée par l'exode depuis les autres centres urbains et depuis l'intérieur du pays que la reproduction de la population. Donc, les guisnets, cause de congestion au Dakar. Déjà, le Dakar, il y a trop de voitures. Il n'y a pas trop de voitures à Dakar. Parce que normalement, un pays développé, vous développé, le problème, c'est que les rues sont trop petites, on n'a pas assez de rues il y a tellement de populations qui arrivent comme tu as du mal à donner de l'eau à tout le monde, tu as du mal à donner de l'électricité à tout le monde. Les rues sont de plus en plus petites du fait de la pression des magouilles du tabac. L'eau, taille un des problèmes Dakar. Donc, et quand tu investis à Dakar, les gens viennent parce qu'il y a, les, emplois sont là-bas. C'est mhm. Service pour les pots. Donc, si tu analyses bien, c'est l'action publique qui est à l'origine du fait que Dakar devient de plus en plus une zone d'attraction. Maintenant, on vient d'amener un terre. Le terre, qu'est-ce qu'il va faire Zone BTR Bigard, attendez-vous à ce qu'il y ait des plans de développement immobilier. Nous, nous commençons à des terrains, commencer à tabac. Nous avons nous avons du Thiès, nous avons du terre, nous avons du Commencez tout aussi, zone de dernière. Ce qu'on appelle l'étalement urbain va, parce que trace terre, vous allez voir développement immobilier pour am parce que nous, nous dañu une accessibilité

réduire pression bi nek Dakar il faut que nit wara a jël train jóge Mbour ñëw liggéey ci Dakar nit bisi tant que mobilité boobu ta nek wala bok ñu créer dans ces zones là mhm. suffisamment du def ci ay investissement pour am attraction pour tax nit ñi meuna mhm. mais équation Dakar mais mais mais est-ce qu'aujourd'hui aussi l'autoroute à péage n'est peut-être une réponse par rapport à ta préoccupation nit meuna a jógee Thiès ñëw xëy ci Dakar nit jógee Mbour ñëw xëy ci Dakar ni jógee ci bawol sa bawol googule wara mëna ñeu liggéey Dakar té delluwaat euh, sans trop perdre de temps. tu as raison malheureusement. Mhm. xam nga souvent des fois quand tu proposes ben ben moyen de transport il faut faire une analyse sociologique et une analyse xam réalité sociale xam nga autoroute. Mhm. moyen de transport bu nga xam ne foog nga nekk automobiliste pour mën a jëfandikoo sinon transport commun yi ngay jël foog nga nekk automobiliste mais mhm. il y a très peu d'automobilistes au Sénégal tey sur 10 ménages sénégalais ñan ñoo am auto surtout ñu nekk ci région yi donc autoroute bi changé wul lu bari lu dul route ñi doon jël transport yi pour ñëw Dakar pour des raisons particulières ñom ñoo nar jël ay bus pour ñëw Dakar pour des raisons particulières mais du mëna mën a Dakar de manière journalière pour mëna def liggéey loolu leen ko mënoon may justement mooy train train bu jugé gare de djourbel taxaw gare de Thiès dem gare de Dakar train yooyu su amoon nga avons un train qui est à par exemple à 6 à 6 heures du matin il train toutes les chances d'être à Dakar à 8h. donc faut voler nous parce que l'avantage du train c'est que nous avons une option mooy deux mille milliards nous avons lancé un appel d'offres Colben, une une société spécialisée dans la production de train avons une co-entreprise du Sénégal L'objectif, c'est quoi c'est d'avoir le réseau ferré du Sénégal comme ni France le un réseau ferré de France am SNCF am ay am ay train mailler le le le territoire C'est mooy objectif. parce que train trains, bu nekk bi nga xam ne moom am mënta jël Sauf le train le auto. parce que problème de l'automobilisme, il faut nga jënd oto pour utiliser auto autoroute mais train da ngay jël ticket on te fournit voie bi fournit le véhicule bi loolu moo train am solo pour les petites bourses dafa lu am solo nit na un fonctionnaire je donne un exemple simple. Mhm. fonctionnaire buy a loyer Dakar trois cent mille tey bu doon dafa am train buy Thiès Dakar fonctionnaire boobu mën na dem Thiès loué benn bu cent cinquante abonnement defal à soixante quinze mille muy de Dakar Thiès di di mhm. il fait économie bu am solo noonu la def ba équilibre am entre les territoires. Mais si nous continuons de concentrer les investissements à Dakar, on va continuer d'attirer les gens à Dakar. Mhm. Et nous, ñi offre de services, ndox mi électricité parce que l'offre la, demande est toujours en train de croître beaucoup plus rapidement que l'offre de services mhm. Parce que des fois, un mhm. ce service ce c'est pas parce que tu es incompétent mais cette croissance du service nous rattraper la croissance de la demande C'est que mooy problème pour les centres urbains comme comme Dakar donc tant y a une véritable réflexion sur comment développer Thiès comment développer le power, comment faire de Casamance une des zone bu bu attractive zone Ferlo une ñuy def mu zone bu intéressé nit ñi. Mhm. waalo fële Ndar mu Casamance tant que a des pôles qui qui qui qui qui attirent les populations vous nous am équilibre. Mmh. les sept autres territoires dañuy tout le temps de dévitaliser Dakar est asphyxier et tout le monde Dakar devient un problème pour les autres régions les autres régions deviennent deviennent ne sont pas la solution pour Dakar et c'est ça qu'il faut éviter. Malheureusement, le régime ne l'a toujours pas compris. Mmh. Euh, euh, euh, moi je pense que c'est important. Euh, effectivement parce que euh, banquier nga yow yaa ko gën a xam mooy mode de financement yi nga xam ni euh, suñu état yi dañ koy dañ koy am parce que aujourd'hui on le sait ku la lebal mbaal moom moo lay wax fi nga xam ne foofu ngay nappee hmm. aujourd'hui est-ce que loolu moo tënk aujourd'hui nos états nos gouvernants parce que dañ leen di imposer ay projet ba pare financer leen ko ni leen li ngeen ci def mënu leen cee def leneen est-ce que loolu gënul indi jafe-jafe généralement l'OL la nit ñi di wax. Mhm. mais je te donne des exemples pour wan la des sources de financement bi bokkul ak dépense bi ak investissement bi contrainte amu fa souvent li dal suñu chef d'état yi mooy ñoom seen wàllu bopp dañu limiter. c'est-à-dire que ne boo gëmul sa pas, bo bo boo xamul sa bopp bo fekkee ne yow gëmoo ne mën nga monter une entreprise bo gëmul sa bopp da ngay préférer jël liggéey bi jox ko français yi du def je te donne un exemple. Quand tu lances un emprunt obligataire, c'est le marché. Tu vas sur le marché, tu lances un emprunt, tu viens avec 100, 200, 300, 400 milliards. comment quel, quel force C'est le marché, cette capacité, cette notation, montant de monnaie les fonds Donc, personne ne t'oblige à le mettre dans un endroit. Par exemple, financement au terre, Trésor français, Banque islamique de développement, Banque africaine de développement. Mais, nous, nous, nous, nous, nous, nous créer comme comme Afrique du Sud un centre pour produire train. ce qu'on veut c'est ce qu'on appelle joint venture modèle projet nous ñun décider mais j'ai l'impression que beaucoup de nos dirigeants africains nous, africains, comme tam nous, mais nañ ko et c'est ça le gros problème mmh. c'est vrai que y a financement à est ne moom mais financer dañ les un mais tey li Sénégal et emprunt de c'est des emprunts directs sur le marché constitué de l'argent qu'on nous a donné et nous avions le choix d'en faire ce que nous voulons mais on a préféré des choix faciles préféré je préfère faire confiance à des entreprises françaises libre parce que où sénégalais je peux recruter une dizaine quinzaine trentaine de sénégalais vous allez représenter les intérêts, du Sénégal, on va faire des joint venture à l'Alstom, on va créer une BIFI, vous allez gérer, vous allez regarder la gestion, ce que je veux, c'est que vous appreniez. C'est ce que, c'est que Chine, le rêve. Mais Chine, de nous gomme chinois. C'est ce que maintenant, on a un problème. Vous faites a aussi de renoncer à la souveraineté monétaire. Vous faites nous ne battre sa monnaie. Tu ne peux pas financer ton économie. Tu te prives aussi d'une certaine manière de financer ton économie. Mais si basé des sources source de financement yi Macky Sall sur ces 12 ans c'est des sources de financement qui ont été ne lever sur le marché c'est des emprunts qu'il a lancés c'est des investissements qui ont été xaalis du Sénégal a suffisamment de liquidités pour faire donc nit comme mon bu lay tu le bases sur les recettes publiques donc nous sommes au projet de rentabilité projet de ngay et c'est d'ailleurs pourquoi nous, comme Sénégal la est xooluñu projet bi xam nañ ne fay moo tax du lijjanti fu Macky def def projet projet TER bi tey ni ko Macky monté tout acteur privé buy xool rentabilité ku ci bokkoon day abandonné projet parce que le projet n'est pas rentable hmm. euh, Benen ponk peut-être bala très rapidement bala ñuy dem si beneen ponk bi mooy euh, bala un peu par rapport à la situation de de la dette la dette euh, mm-hmm. ndax tey on peut dire que les signaux sont au rouge ah oui euh, dernier rapport je pense qu'il y a egg 70%, déficit de 5%, tension trésorerie bu nga xam ne bu demander des DTS l'émission de DTS liquidité bi mu am temps mhm. parce que ce qui s'est passé c'est que le budget euh, c'est bien mais il faut que nga une analyse financière c'est-à-dire que bon je prévois d'avoir tant de milliards il faut nga je ça, ma sama salaire mon sama fonctionnement lan mooy loolu dess moy moy loolu moy lay meuna maintenir nga am ce qu'on appelle une certaine souveraineté ci ci ci ci question d'investissement parce que si vous avez xaalis bu liquide da nga da ngay ñëw bon je veux un projet j'amène ça vous amenez ça puis dañ koy def mais su fekkente ne yow so vous sa bo fayé bo buñu bu jëlee budget bi ñu salaire yi war fay yëpp génné fonctionnement administration génné amortissement de la dette génné intérêt de la dette quatre euros du budget ça veut dire que tu es en tension tu n'es plus liquide Sauf liquide tout mais qui ñëw de le financer Moi, lay wax fooy parce qu'il est le seul qui finance et du coup projet yu bëri yu après c'est des projets qui bon la après tu nous rembourses mhm. ce qui fait que l'État continue de rembourser et c'est vraiment catastrophique parce que j'ai alerté depuis 2017 man ko faites attention ni endetté vous allez tomber en tension de trésor di ngeen des difficultés Pour les mines fi dégg at yépp lolo ko andi dem ba d'oxygène c'est parce que justement dañu def des des émissions de de TTS. j'espère qu'avec avec pétrole bi 500 600 700 milliards bu allez rééquilibrer un peu le budget dina andi liquidité liquidité. J'espère que Macky Sall a appris ses leçons ah. et qu'il ne va pas commettre les mêmes erreurs Il dem dit endetté ba 600 milliards de nga xam en bu vous day 600 milliards bu il day a une obligation remboursement amortissement obligation remboursement interne. Ah. je pense qu'il a appris cette leçon Il a xam la liquidité mes solo. Ah. fay fonctionnement fay salaire fay impôt fay intérêt moo liquidité am solo et ça il l'a négligé. À avec les, euh, les, offres spontanées, ils ont inversé l'article au niveau du Code des marchés publics pour voir ne une offre le ministre n'est pas obligé de refaire des de de faire à marché à coup de 50 milliards ils ont lancé des projets ils ont endetté le pays ils ont mis le pays en pension. aujourd'hui les DTS nous permettent de respirer un peu J'espère que les 600 milliards ils ont appris leur leçon et qu'ils ne vont pas faire la même chose. Parce que pour continuer non, ils vont se retrouver intérêt, amortissement, fonctionnement personnel de représenter 90% du budget. Mmh. Ça, c'est une catastrophe. D'autant plus que tu as 5% de déficit. Mmh. C'est pas bien. D'accord, c'est pas bien. à ton niveau, tu as trouvé de bien, c'est-à-dire d'écrire. Euh, du côté de la régie, nous même l'ouvrage, on parle des territoires du développement à quelques semaines des élections locales du 23 euh, janvier 2022, il s'est penché sur, en tout cas, comment faire aujourd'hui pour euh, sortir on peut peut-être de cette léthargie les territoires euh, du développement un ouvrage déjà peut-être je dirais pas qui est né de la polémique mais qui est qui a été suivi par une certaine polémique en tout cas ici au, au Sénégal xam Canada ga nga nekk ñàkkul ni euh, li ci par rapport à ta personne déjà ak li ci génn li ci tukkee mais question boobu du man maa ko posé la, laa koy bàyyi mu dooree waxtaan ci wàllu woowu le allez-y waaw euh, Mascour euh, su nit bindee ouvrage mhm. ci ak lu manti ne avant ngay def dara da nga koy félicité ba pare parce que bindu yombul gëstu la xam-xam la c'est-à-dire du ñëpp ñoo mën a bind nga nga nga baal ma nga nga baal ma yaa un lapsus aussi bu ma def moom mooy c'est que c'est une coproduction je devais aussi citer que ni. effectivement euh, te ba may door wax naa ko aussi que dafa hmm? bind euh, téere bi lay ànd ko ki nga xamante ni mooy le hmm? président de PASTEF le président Ousmane Sonko effectivement donc du coup euh, téere moom soo ko bindee soo xalaatee ba teg rek euh, je pense que euh, li ñu war a njëkk a def moom mooy féliciter la d'abord gàcce mm-hmm. ngalaama parce que xam-xam yombul. Mm-hmm. donc soo ko génnee ba muul ko ba dugal ko ci téere boo xam ne ñëpp mën ko lire mais ñëpp mën ko gis avant ñu ci def benn observation déjà dañ lay féliciter bind nag moom lu waay bind lu ne ci àdduna donc war nañ ko mën a critiquer donc euh, moo tax critique am donc critique littéraire am euh, soo defee thèse ba pare eh, nga jàkkaarloog sa jury. Mhm. Eh, li nga bind loo baax baax dina am loo xam ne dinañ ko ci génne. Eh, mais loolu c'est juste pour te permettre que la prochaine fois nga mën a avancer nga tenir compte ci observation yooyu pour que la prochaine fois nga bàyyi ci xel bu baax a baax donc par rapport à ça euh, dama koy bàyyi moom ci boppam réagir par rapport ak par rapport ak polémique yi ci am parce mhm. que y a pas mal de gens yoo xam ne.

Mhm. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de question. Et puis merci pour les félicitations parce que nous, nous avons le président Ousmane Sonko, nous avons passé, je pense que l'ouvrage, m'a dit tout ça, André passé parce que c'était dans une discussion qu'on avait sur, sur, sur, le développement du pays qui a fait qu'on voulait écrire ce livre parce qu'on voyait qu'on parlait de la même chose. Mhm. Donc, merci beaucoup pour les félicitations parce que Djambar Mom da Maintenant, les accusations de plagiat. Dites-moi, euh, opposant, mon bon, c'est vrai qu'il y a Ousmane qui écrit des livres dans l'opposition. Mais quel est le livre d'Ousmane Zonko qui n'a pas fait l'objet d'accusations de plagiat mhm. Ça n'existe pas. Moi, je m'attendais, et puis c'était. C'est ça leur réaction. Parce que le, le livre est sorti vendredi. Le, le jour même, on nous accuse de plagiat. Apparemment, ils ont eu le temps de lire mon livre et de lire l'ouvrage euh, dont ils disent que, que, fait du, que nous avons fait du, plage. ce qui est quasiment impossible. Maintenant, les gens oublient que, Ousmane Sonko est quand même euh, dafa au Sénégal et puis daf ce euh, collectivité locale la rêve. Donc pourquoi un Sénégalais ne devrait pas parler des territoires et du développement des territoires man de Québec et ce professeur euh, apparemment vit au Québec euh, des gens oublient que peut-être France googu la au moi, Québec j'ai été à l'Institut national polytechnique de la Lorraine euh, Fala l'INPL et j'ai quand même un master en conduite de projet, développement économique territorial et ingénierie urbaine. Si moi, je ne peux pas parler du développement des territoires, surtout après avoir été conseiller technique du gouvernement du Sénégal pendant un an, diriger les travaux de la lettre de politique sectorielle, diriger les travaux de la stratégie de développement territorial. Euh, franchement, si, deux Sénégalais ne peuvent pas se réunir et, écrire un livre où ils parlent du développement des territoires du Sénégal, mais, en fait, où, est-ce qu'on va mm-hmm. Où est-ce qu'on va C'est-à-dire que... Mais je les comprends. En fait, ils, nous renvoient leur image. Parce que nous sommes complexes. Il y a des de livre compliqués but du livre, c'est juste prendre le temps de s'intéresser à un sujet, réfléchir à une vision, définir un objectif, challenger ces objectifs, produire un document et référencer ce document. C'est ça l'ouvrage. L'autre élément important, dans cet ouvrage, euh, on parle euh, trois parties. -là. Première partie, on fait un diagnostic sur le Sénégal. En quoi, en parlant de diagnostic au Sénégal, on peut plagier quelqu'un Ensuite, on parle d'une de notre réflexion, comment on voit les, choses, une vision qui, est vraiment, qui nous est propre. Ensuite, on fait une proposition. Chapitre 2, on propose quelque chose. Nous avons un dispositif qui décentralisation en décentralisation. Dans la région est L'un le département est l'un les villes représentent, L'un les communes représentent. Est-ce qu'on a besoin de plagier quelqu'un pour parler de ça Et dernier chapitre B, Ousmane Sonko, c'est un fiscaliste moi je suis un banquier, on a proposé un dispositif de financement. Fan le plagiat Donc, tel, c'est tellement naturel. Moi, je m'attendais à ça, contrairement à beaucoup de gens. Je m'y attendais à ce que ce soit la seule et unique réponse. Maintenant, comme j'espère que maintenant, ils vont prendre le livre, ils vont prendre le temps de le lire et nous revenir avec des critiques parce que c'est ça qui va m'enrichir Nous nous enrichir Moi, nous ñu jël livre lire on ne parle que du Sénégal on ne parle on ne parle rien d'autre que du Sénégal Sénégal lañ de 1960 à 2021 qu'est-ce qui a été fait qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on va faire on ne parle que du Sénégal. Nous, bu le Sénégal dafa nekk une priorité Les lay pour le suuli jël temps livre bi lire mhm. et puis qu'ils nous reviennent qu'ils nous def confiance en intelligence def confiance une capacité d'analyse de confiance passion bi am ci réew mi bu dee am nañ ko mu andi ay yu am. Hmm. donc c'est ça qu'on a euh, Moussa euh, Moussa peut-être peut-être une petite parenthèse parce qu'on va entrer donc ci livre bi la parce que ça semble dans une certaine mesure en tout cas di wane ci wax nga ko c'est un diagnostic sans complaisance un peu euh, wàllum hmm. tolluwaayu ak trois de la décentralisation la lañ ci war a mën soppi lan territoire viable mais la critique est allée encore plus loin parce que c'est une parenthèse qu'on va vite euh, refermer même on a parlé un peu de là où parce que je vous ai présenté tout à l'heure comme étant donc le directeur de compte Banque nationale du Canada. Euh, moi, j'ai vu que la critique est allée un peu plus loin. On a même parlé de, ce statut que, euh, voilà, il semblerait que l'on a présenté de non. Effectivement, effectivement. Je, l'ai vu, mais quand on s'attaque au livre, mm. et ça c'est une technique que tout le monde connaît, quand on s'attaque au livre et que l'attaque sur le livre n'est pas, euh, ne va pas loin, on s'attaque à la personne. Ça, tout le monde le sait. Même dans les débats politiques, quand tu amènes des idées et que la personne n'a rien pour, euh, pour ton douleur, mm-hmm. il s'attaque, il s'attaque à la personne. Mais le, poste, moi, moi je suis, je, suis, directeur de compte à la Banque nationale. Directeur de compte, c'est, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est un, professionnel de la finance. Son rôle euh, dans la banque, c'est qu'il est formé pour être capable d'analyser toutes les demandes de financement qui se présentent à lui, analyser les demande B, les états financiers de l'entreprise, est-ce que l'entreprise B présente des risques par rapport au secteur d'activité. dans tout le pays, dans tout le monde, toutes les banques sont, en tendance à se dématérialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mhm. tu peux tout faire, les banques s'organisent pour que du, de la première discussion avec ton client jusqu'au moment où tu débousses le financement dans son compte, vous ne pouvez ne pas vous voir, mhm. libre à distance, c'est ce qu'on appelle la dématérialisation des processus. En France, on a ING, ING Direct qui est un exemple dans ça. Ici, on a Tangerine man je suis dans ce secteur-là. Je peux te dire que depuis que le coronavirus a commencé, ça fait deux ans, je n'ai pas mis les pieds au siège de ma banque. Je travaille depuis chez moi. Je fais mon travail. Mmh. loolu mën na mën impressionner ay nit ci ñu nga xam ne les li il s'appelle les impressionner mais encore une fois ça ne va nulle part même si ma qui kuy koo xam ne damay damay liggéey ci ci est di yenu ay mais c'est un travail qui est noble liggéey Canada Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que je suis diplômé dans mon domaine, j'ai eu la chance de travailler pour mon pays, je connais ce secteur pour en avoir été le conseiller technique. Pourquoi je ne suis pas capable de pouvoir proposer un livre mmh. C'est euh, complexe beaucoup am qui, diplôme à poste. comme je l'ai dit au début, man bawal bawal la jappé sam Bref, xoslu man la jappé sam Donc nous yoy mettre en avant intéressé au moins. Mais c'est important de dire que moi, je ne vois pas l'intérêt de, de, dire des choses qui ne sont pas vraies. Parce que Banque de Manek, il y a 200 Sénégalais qui travaillent à la Banque de Manek. 200 Sénégalais. Mhm. Donc, c'est vérifiable l'information. <laughs> non c'est c'est link link LinkedIn rek yow noonu ce téléphone pour LinkedIn mon profit. tu vas voir que mon directeur le directeur de ma banque à ma banque ñoo bokk même logique ñoo bokk même LinkedIn donc du coup. Mhm.

nous dem ay élections on parle de décentralisation nous vous avons proposé nous vous avons proposé un livre dans lequel on montre une déclinaison claire de ce que devraient être les territoires du développement qu'il nañ le temps lire ko sur sur dee mën lire jël temps réfléchir ces propositions yi xool ndax proposition yi am na ay failles andil l'eau failles monde moo ñuy tolli pour que mmh. ëllëg buñ ko mettre en œuvre tiens telle partie telle formation dans telle proposition avait un enrichissement pour nous. Mmh. Donc, question de fighting wala opposé on a besoin de cette analyse critique. Mmh. C'est important euh, Gaï, je te retourne la parole en tout cas c'est un ouvrage qui revient un peu aussi euh, sur les limites du modèle actuel le modèle actuel n'est acte de la décentralisation qu'on nous a beaucoup vendu aussi et en termes aussi de de il y a énormément de propositions aussi et je pense que c'est ça aussi. Euh, l'objectif ou bien euh, un intellectuel bo defee un diagnostic aussi wax que ni li ak lii doxul dañ lay xaate aussi nga ne li ak lii bu fa jaaree yoon wile euh, dinañ am li nga xamante moy avec succès dinañ am réussite ci liñ jëm ma bay la ñu dugg ci biir livre beeg wal wàll wulé effectivement par rapport à polémique bi <laughs> moi je pense que polémique heure bu amé ci ouvrage rek mhm. da ngay jappalé ci bind en fait c'est-à-dire da koy da koy may doole ci et promotion ouvrage c'est que les gens n'ont pas compris en tout cas s'il y a des adversaires euh, peut-être ils ont voulu euh, euh, faire table sur tout ce qui a écrit ça a créé l'effet contraire en France on, a vu beaucoup d'auteurs théories, ils font exprès même si c'est un ouvrage qui doivent aller passer passage créer polémique c'est pour attirer les médias euh, Zemmour est un excellent dans ce domaine-là ah, ouvrage tout le monde en parle et que ça lui permet de faire des millions de ventes parce que tout le monde va courir vers l'ouvrage donc polémique bi hmm. au-delà de toute considération je pense que beaucoup ci li ouvrage parce que ku bëgguloon jënd ça il va aller acheter pour voir exactement ce qui a été écrit et là vous donnez un coup de pouce énorme <laughs> aux auteurs donc je pense que loolu nous parle la hmm. ouvrage Ciao dafa lu la livre livre bu am rek livre mm-hmm. donc voilà par rapport à euh, Mansour li nga wax. Mm-hmm. je pense qu'il y a énormément de Sénégalais qui ont écrit sur euh, les territoires et le développement. donc nous bari def nañ ci réflexions donc euh, je pense à, l'ouvrage de du professeur Mohamedou Mouhamadou Diakhaté penser fabriquer gouverner les territoires le Sénégal à l'épreuve des territoires mu def ci benn diagnostic bu yaatu aussi acte 1 acte 2 acte 3 de la décentralisation qui ci euh, mujj a bind la euh, thèse de de doctorat muy Joseph Diop euh, dynamique locale et construction du développement au Sénégal donc je pense que Sénégal Sénégalais yu bari yoo mm. effectivement bind nañ ci xalaat nañ ci et que am apport bu am solo pour xam Amna am na ci ci wàll woowu. léegi à ma bëggoon a Moussa apport qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau mhm. en termes scientifiques qu'est-ce que vous avez apporté à la science c'est que peut-être en termes très pragmatiques qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau par rapport à tout ce qui s'est dit jusque-là Merci beaucoup. Voilà, voilà, voilà une, question intéressante. Et, et ce sont ces questions-là qu'on attend. Et tu as raison, il y a beaucoup de gens qui ont fait des travaux extraordinaires. Je peux citer le professeur Amadou Diop, qui est quelqu'un de qui moi géré c'est quelqu'un qui fait d'excellents travaux à, ce niveau. Ce que nous, ce que nous apportons, et il faut que les gens comprennent. Et bon, c'est un exercice difficile pour moi parce qu'il faut que je parle le livre sans pour autant dire ce qu'il y a dans, le livre en même temps parce qu'il faut, mhm. qu'on veut que nous donne de livre. Et mhm. moi et Ousmane, nous avions un défi. C'est-à-dire que durant tout le long, on voulait que les citoyens sénégalais, Bouli leur sache quel est son rôle du développement territorial. perspective approche, approche donc livre ne mais à travers l'approche, on voulait que l'Africain du Sénégal à travers le développement des territoires en tant qu'acteur, c'est quoi son rôle. on voulait aussi qu'il comprenne qu'il y a un instrument à la fin du coup quels, sont les, instruments importants yi nga approprié à travers le conseil municipal à travers les, instruments de planification et puis on le dit dans les livres la décentralisation c'est comme quand on donne euh, quand on donne aux communautés la faculté de planifier le développement donc c'est une autre approche Bon puis, approche que nous andi nous nous décentralisation comme un ministère parmi 25 approche et c'est pour ça que ñuy lire livre bi ils vont comprendre que beneen paradigme lañ nekk pour décentralisation c'est le plan autonome du pouvoir exécutif le pouvoir la, nation du Sénégal c'est le législatif c'est le judiciaire c'est l'exécutif nous dañu gëm décentralisation c'est le plan autonome du pouvoir exécutif ba noppi ñu ñu def ay cibles am dans les pays de l'OCDE, et tu le sais sûrement, les collectivités locales gèrent près de 50% du budget de l'État. Dans les pays émergents, on est à 35. La moyenne de tous les pays qui se sont inscrits dans la décentralisation tourne autour de 25. Du Sénégal n'est que Sénégal, on tourne toujours autour de 2 à 3%. Nous, l'objectif que nous fixer. c'est que dès le premier mandat, qu'on fasse porter 25% du budget au niveau de la décentralisation. 25% du budget. Et troisième chapitre du livre, on propose quel est le dispositif de financement qui va permettre de dire que si, le Sénégal, a 4 000 milliards de budget, les 25% sont gérés par les collectivités. Nous nous montrons comment on, va le faire. Donc, livre le bon nous ci dans le pas ñu naan ma quand bu ñu plagié un professeur n'est pas possible parce que nous sommes des des des logiques théoriques trois théories moy ñëwaat ci livre bi théorie du développement territorial c'est loolu kenn ci plagié kenn théorie la bu ñëpp paradigme la paradigme développement local le développement durable mais pour le reste on propose on se dit quel va être rôle région région il une compétence lañ koy jox département y compétence une compétence jox ville la ville lu signifie signifié ci pour ñun commune lan mooy rôle beneen paradigme lañ andi ni ñu bëgg defee décentralisation bu ñu yàlla exécuter au bout de cinq ans le Sénégal sera l'exemple au niveau de tous les pays du Sud. On, on va être unique ci l'ignore de def décentralisation. on va être cité Et je koy wax à chaque fois que me le Sénégal le rôle du Sénégal wala jouer ci Afrique ñun nous lu nous laal Nous ñu ko exemple la war a signé un contrat pétrole Nous ñu paree un contrat exemple la war Nous nous bu un train express régional suñu parais. exemple la war Mais mais politique de décentralisation nous ñi dañu war a di jàng comment les Sénégalais ont fait pour avoir une décentralisation bi nga tous les territoires sont en train de se transformer. et bon je peux pas aller plus loin parce que c'est normal, mais effectivement effectivement Moussa dugg livre effectivement vous avez parfaitement raison. Mm-hmm. Euh, mais euh, par rapport à ce que expliqué, euh, je pense qu'à de la décentralisation, le côté aussi, c'était ça. c'était pour doler euh, les communes les collectivités locales nous jox leen une autonomie financière pour financer euh, quand même euh, l'économie locale. Donc, en termes de propositions, effectivement, l'acte de la décentralisation est proposition il est-ce qu'il quand même le problème ce n'est pas les propositions mais c'est l'application des propositions c'est même pas l'application des propositions parce que les propositions man que proposées, j'étais là mm-hmm. La première note de l'acte 3 de la décentralisation porte ma signature. La lettre de politique sectorielle porte ma signature. La stratégie nationale en vigueur de développement territorial, je ma mettre en œuvre mes grands les grands experts ñoom et Grand j'étais là. Le problème, ce n'est pas l'application. Le problème, c'est que ceux qui nous dirigent n'ont pas compris que ce sont les avec les territoires qu'on se développe. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce titre, les territoires du développement parce que nous nous différencier fondamentalement moi nous nous développer le Sénégal et utiliser ce qu'on appelle le capital stratégique des communautés et des territoires pour nous, le capital ce n'est pas uniquement l'argent le capital ce n'est pas uniquement les ressources naturelles mais le capital ce sont les communautés qui ont cette capacité de se réunir et de, réfléchir sur quel est le projet de développement de la Casamance de réfléchir ensemble sur ce qu'on appelle un capital stratégique, une capacité à faire un plan stratégique de développement de la Casamance et nous devons financer. Donc, différence fondamentale, ce n'est pas une proposition. Différence fondamentale, bi, proposition est La Différence fondamentale, c'est ligne avant des propositions, Et c'est pourquoi, chapitre 1, n'est que diagnostic et cadre cognitif dañu def la jañu si l'existant ba noppi wane ñun ñun ñun ban ban ban logique de réflexion lañ nekk ban approche lañu nekk parce que boo xamul ñun gëm fi ñu ko teg et puis il y a une phrase qui est très qui qui qui qui est venue bi ñuy bind livre bi mooy suñu décentralisation bu weesoo finance bu weesoo stratégie bu weesoo territoire en réalité ngëm-ngëm la ngëm-ngëm bu ñu gëm ne africain bi ak territoire africain, Afrique yi ñoom ñooy développé réew profession de foi boobu moo nekk ci première partie bi Mhm. donc Gumbi, c'est am proposition mais aussi dispositif et c'est là aussi qu'on fait une innovation majeure dans le livre les gens vont voir beaucoup de propositions des choses concrètes on va leur dire région compétence ni nii koy région ni mon nar département jox nañ ko compétences département mosu des compétences stratégiques commune n'est que la base viable. Les villes doivent être les vitrines. On a, vraiment voulu montrer ce qui se fait de mieux et prendre l'engagement qu'on est capable de le faire, expliquer pourquoi on devrait le faire. Mhm. Et centre vraiment l'accent sur les grands projets au début de l'émission. Financement, mais nous engagé projet. La réponse que je t'avais donnée, c'était de dire les gens, ils nous deux nous Sénégal nous sommes une décentralisation. encore une fois, on ne peut pas développer ce pays en disant que 99%, 98% du budget est 40 ministères à côté, population et de New York. Nous ce n'est pas possible. Donc pour nous, le développement, c'est ce que nous a commencé. Si on est-ce qu'il y a un trottoir Si on est-ce qu'il y a un lumière Si on est-ce a est-ce que nous pouvons gérer Si est-ce que y a un plus pour le développement foofu la commencer. l'économie qui territoire yi la commencé pour nous, le Sénégal dafa am huit moteurs de développement économique ces huit moteurs ce sont les huit territoires du Sénégal mmh. ce n'est pas huit territoires de loolu pour nous dem il faut que population yi jox leen moyen réfléchir nous accompagner leen jox leen moyen avancer donc paradigme bu différent ce serait dommage que nit ñi bañ a les qu'ils prennent le temps de le lire de se mmh. l'approprier d'en avoir, un petit peu un sens critique de même rejeter certaines propositions mais d'en faire aussi des propositions. parce que. Mhm. in fine loolu moo évolue Moussa Moussa un peu ma je vais retourner un peu la la question de gagne euh, dem directement sur des c'est ce qui est du reste très important même en termes de solutions, en termes de propositions, li nga ni maintenant man je vais revenir un peu en arrière pour parler un peu de de ce diagnostic diagnostic bien ngeen def bi ngeen xool xayma lan moo waral tey parce que njiitu réew bi bi muy taxawal acte de la décentralisation bokk na ci li nga xamante ni gëm-gëm bu mu amoon dafa waxoon ne dafa bëgg organiser en tout cas le Sénégal en territoire viable compétitif et porteur de développement à l'horizon 2022 on est presque arrivé c'est voilà à mi-parcours quasiment wala sax léegi mu jeex euh, te xool nañu nos territoires malheureusement la situation ne montre pas mm-hmm. tout à fait que les objectifs ont été atteints diagnostic bi la là où le bas blesse qu'est-ce qui n'a pas du tout euh, marché pour que nous nekk ba à la à la case à la case de départ. dama lay wax la phrase que j'ai l'habitude de répéter dans tous mes posts sur Facebook xam-xam du pexe. Mhm. xam nga politique xam-xam la ne sais ñëwé xam-xam lañ ce que le paradigme du développement territoire jàngale nous voir couple et décentralisation aménagement du territoire mm. pour qu'on ait une territorialisation des politiques publiques, pour qu'on ait une fiscalité au niveau local. c'était ça les grands axes de l'acte 3 c'était pas compliqué L'autre mot, l'autre, la xam-xam du man professeur au Sénégal et en France nous ne la pas. c'est pas pour rien que notre ami qui est en France il sait qu'en France les régions sont les chefs de file du développement économique. Mm. Train express régional ce sont les régions qui qui l'ont lancé. Ici au Sénégal, c'est le président de la République qui lance le train. En France, c'est les chefs de région qui le lancent. Vous, voyez la, différence, elle est, fondamentale. Mais pour revenir à ta question, ce qui manque, nous nous ñu jël devons mi nous ko teg ci xam-xam dès que Macky Sall war a élection nous xam instant il faut que nous gagnions élection mais loolu tax mu dàq Cheikh Bamba Dièye nga xam ne li mu doon def yëpp DGT la xam-xam la ko teg andi koo xam ne lu mu ko sant ci politique da koy da koy def la politique pexe politique et c'est comme ça que décentralisation parce que mon cher tu peux dire ce que tu veux tant que ton dispositif de financement ne vient pas paquer ce que tu dis ça veut dire que li ngay wax da nga ko wax rek décentralisation Sénégal coow li lu muy bëri bëri bëri bëri bëri yëpp dernier budget 2019 puis 2018 2019 ci waaye wax nañ ko ci livre bi boo xoolee budget Sénégal ak décentralisation c'est 3 pour cent du budget 3 pour cent donc débat bi yëpp lan la mooy li ma doon wax sànq vision la ngëm-ngëm la gëmuñu ne doomi gox mooy defar réew gëm-gëm boobu la suñu homme politique yi gëmul et dans ce livre on leur montre ne loolu moo war a gëm-gëm bi on leur explique pourquoi on leur explique comment et si on devrait le faire, comment on va le faire, si on doit le financer, comment on doit le financer. D'accord. Gagne, je vous retourne la parole. Hmm. Euh, effectivement, euh, je pense que euh, À référence que nous fini par rapport à que collectivité locale, nous avons effectivement c'est une économie qui nous permettre investissement de au niveau local de Kouedef. Euh, je pense que euh, même aujourd'hui euh, en France les villes les plus grandes villes nous leen natt ci compétitivité en fait sur le plan local parce que da ngay province bu sur le plan économique d'une viable d'une région en termes de de taille donc man que ville prospère en termes de beaucoup d'investissements, une économie très forte et très viable c'est-à-dire autonomie et indépendance bi nga xam ne euh, mairie yi am nañ ko loolu et que xaaruñu lenn gouvernement ils ont une indépendance totale par rapport à leur gestion c'est ça une économie locale effectivement je suis tout à fait euh, d'accord avec lui par rapport à euh, li nga wax ak proposition yi dina am beneen affaire moi je pense que obstacle bu les lay parce qu'il faudra aussi des hommes <laughs> pour pouvoir faire tout cela parce que d'accord il y a le discours qui est là il y a également l'action, mais il y a également un troisième pilier, les hommes qui doivent apporter l'action. Mhm. Euh, aujourd'hui, à ce niveau-là, on pense que le Sénégal, le problème d'une aujourd'hui, moi, l'humain, un investissement sur l'humain pour pouvoir porter ces, actions-là. Euh, quelle recette miracle aujourd'hui pour pousser ces gens-là qui compétissent au niveau des collectivités locales, pour leur faire comprendre effectivement que euh, le développement local doit aller dans ce sens-là. Déjà, il faut, comprendre que, et, moi je suis bien placé pour le savoir, pour avoir été, encore une fois, peut-être ça va être la troisième fois pour avoir été conseiller technique, j'ai eu à voir beaucoup de maires, à discuter avec eux. Ils sont dans le secteur de la décentralisation, c'est des hommes du développement, c'est des gens qui gomme développement, et c'est des passionnés. Et j'ai confiance, et nous avons confiance que les ils sont prêts à relever le défi. Le problème, c'est qu'ils n'ont jamais eu un cadre qu'il fallait. Ils n'ont jamais eu l'organisation qu'il fallait. Ils n'ont jamais eu le financement qu'il fallait. Ils n'ont jamais eu la confiance qu'il fallait. Nous, le manqué. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Nous avons un enjeu de ressources humaines. Nous avons un enjeu euh, dans la formation, dans la capacitation, mais surtout, on a un enjeu dans le contrôle du déni public qu'on va, qu'on va leur donner. Et ça aussi, on sera regardant. Parce que quand tu prends le pari de dire que maintenant je décide de financer la décentralisation comme, au niveau de la moyenne mondiale, voilà, au niveau de, des pays émergents, quand tu prends ce défi, à côté, il faut avoir le contrôle qu'il faut. Il faut avoir le cadre qu'il faut. Et c'est pour ça que le, ministère qui va s'occuper du, développement des territoires, de la politique de décentralisation, va avoir un rôle triple, je vais dire. Premièrement, organiser et mettre en œuvre la politique de décentralisation. Et ça va être du faire-faire. Nous, nous, de créer UG, UGC, de, digérer des à la place des maires. Non, on va leur demander de faire. C'est à vous de faire. On va vous accompagner à pouvoir faire les autonomies. Deuxièmement, il y aura des cadres de mise en œuvre de, projets où on va trouver des ententes entre les collectivités locales et l'État pour des projets structurants importants mm, pour les collectivités à la municipalité. Mais troisième point, on va être très regardant. On va être un moyen de contrôle et de suivi. Parce que l'objectif, c'est quand on vous donne des, euh, énormément de pouvoir, ça vient avec énormément de responsabilité. Mhm. Et ça, on, mise énormément sur parce que le seul moyen pour nous de mobiliser le peuple sénégalais pour aller vers le développement, c'est à travers la décentralisation. Mhm. Il n'y a pas, pas d'autre moyen pour mobiliser tout le peuple sur nañu tabax suñu gox yi defar suñu territoire defar suñu suñu dëkk euh, sénégalais boo mënti nekk foo mënti yeewoo tu te réveilles ci benn collectif bi la mhm. boo yeewoo foo yeewoo rek ci ak collectif bi nga bu fekkente ne suñu politique communale suñu politique départementale suñu politique au niveau de la ville et de la région dañ ko ñoŋal liggéey ko réfléchir ko financer ko toppatoo ko donc on, va forcément impacter sur le niveau de vie, le cadre de vie, le milieu de vie et le mode de vie de chaque Sénégalais. Il n'y a que la décentralisation qui peut permettre cela. Et malheureusement, Macky Sall, bi mu ñëwee bi la décentralisation des politiques publiques premier acte il supprimer les régions yow que France imaginez la France sans les régions qu'est-ce que ça va faire c'est la grande question le, mot est lâché waaw man man nga rebondir juste une une petite parenthèse avec wax na il a lâché le mot moi, le financement moi vous me déggee aussi, aussi euh, mon plus gros souci c'est que comme on le dit souvent aussi nous mission des moyens euh, collectivités yi nekk fii ci réew que en tout cas beaucoup de ci li leen sonal que ne souvent ressources yooyu nga xamante ni nañu en tout cas dañu xawma dañu xamul fi ñu ko war a mën a mais en tout cas dañ ci am jafé jafé ci wàllu woowulee euh, je rappelle aussi à nos fidèles téléspectateurs on peut permettre au moins à à deux wala kenn sax ku bëgg participer ci waxtaan bi la rek mu mu dugg ci laaj ben question ki nga xamanteni mom moy bala ndax waxtu ñu euh jéglél day waaj bour muy bu défé le 88 628 11 22 mëna am lu mu bëgg a laaj bokk ci waxtaan wi lé ngañ ma bayila nga nga nga après mu mëna ma ci sama laaj bobu walum financement bi comme wax na ko léegi euh, projet structurant yu mel non yeb boko amé il faut que nga am aussi fo meun di jëlee euh, niche yooyu ñu meun di jëlee ay koppar ngir meuna financer sunu développement à la base allez-y Ngagne. si c'est ah, man man na tontu ba pare soo tontu après ma ñëwal ak euh, sama laaj. alors dispositif et c'est vraiment le, le chapitre 3 du livre. Mm. Le, parce que une fois avoir fait le, le diagnostic et proposé notre cadre cognitif wax ban dispositif la ñuy proposé. On a, consacré un chapitre entier sur le financement. Mmh. On propose un dispositif pour allier ce qu'on appelle les modes internes de financement comme les modes externes de financement. Et ça, je fais un clin d'œil à mes étudiants à l'UBS, à qui j'enseigne les modes, euh, les modes de gestion des infrastructures au, euh, niveau, au, niveau, niveau local. Les deux chapitres les plus importants, c'est les, moyens internes de gestion. Comment tu fais pour mobiliser les ressources internes, mais surtout comment tu fais pour utiliser ce qu'on appelle la dynamique économique pour amener des entreprises à cofinancer des projets. Ce qu'on appelle le partenariat public-privé, les PPP, tu peux, tu, on, peut le faire avec tout ce qui est affermage, il y a d'autres moyens où tu impliques la dynamique économique. Donc, on va beaucoup pousser les collectivités locales à travailler avec les acteurs économiques. Ça, ça va être une nouvelle donne. Parce que nous, nous gommer le développement économique territorial ça commence par le territoire comme je l'ai dit les régions vont être les chefs de file du développement économique mm-hmm. donc dynamiser l'activité économique et qui dit activité économique il retombe pour la collectivité locale mais aussi euh, et ça j'espère que son côté ne va pas me taper sur les on va aller vers une fiscalité locale c'est-à-dire que les pays li Sénégal toute l'assiette fiscale est centralisée on va vers une fiscalité locale ce qui, ce qui va il y a beaucoup de solutions qu'on propose. Mais je vous l'ai dit, un livre comme ça, on ne peut pas l'écrire. Les chapitres du n'est la question du, financement et, on, est, on est, comme je vous l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est au bout de, des cinq premières années, c'est d'atteindre l'objectif, c'est d'atteindre la moyenne mondiale au niveau des financements des centralisations, 25% du budget. C'est important. Allez, Zingay waaw euh, euh, c'est vrai que le financement bi am solo. Hmm. c'est important parce que le euh, financement moom mooy parce qu'aujourd'hui on va vers une gouvernance participative je pense que loolu moo am fii amul lenn maire bi dina def te population yi yëguñu ko yenn investissement yi sax je pense que la population est ci ni donc tant que la population est validée, il y maire une possibilité pour mettre en place ces genre euh, de de de euh, décision là Les femmes au niveau du Sénégal euh, fait d'accord on peut accuser aujourd'hui l'État central qui benn maanaam yaacaaral boo locale pour permettre de développer mais am responsabilité c'est une responsabilité locale parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales surtout le foncier boo xam ne ñu koy gis au niveau euh, des collectivités locales euh, ñuy jaxat jaxate suuf bi di ko jaay loolu euh, je pense que la responsabilité elle n'est pas forcément centrale il y a une responsabilité locale boo xam ni mhm. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk gox ñoom ñoo ko jëlul donc il y a une part de responsabilité de l'État mais il y a une très forte responsabilité boo xam au niveau local nit ñi en tout cas ñi yor gox yi gox yoo xam ne ñoom ñoo ko amee te bokk nañ ci effectivement ñi suuxal gox yooyu de tu as, parfaitement raison. Mhm. Tu as parfaitement raison. Le, développement, c'est le pouvoir central, mais aussi c'est les gouvernements locaux. Et c'est pour ça que, nous, nous, on est d'accord sur ça. Et on est, on est conscient que les au niveau central, tu peux le retrouver au niveau, niveau local. Maintenant, sur la question foncière, à proprement dit, il y a une réalité, Les gens ne se rendent pas compte tant que defuñu une réforme foncière une sérieuse réforme foncière dans ce pays et tant que nous vers ben, ben, ben, une ce qu'on appelle politique d'aménagement du territoire c'est-à-dire que département euh, euh, euh, région bu nous étudier les sols quelles sont les terres agricoles à protéger quelles sont les zones aquatiques quelles sont les zones humides quelles sont les zones yi nga c'est ce qu'on appelle le patrimoine écologique qu'on doit conserver quelles sont les zones yi nga amener l'industrie industrie dafa quelles sont les zones inondables Quelles sont les zones habitables Quelles sont les zones commerciales Tant que le travail de zonage est defuñ ko municipalité son plan d'urbanisme il ne peut pas faire n'importe quoi avec son plan d'urbanisme parce que le plan d'urbanisme est affilié au plan d'aménagement du territoire qui lui, qui dit déjà quelles sont les grandes fonctionnalités au niveau de sa commune. Ce qui fait que, vous faites qu'on a une réforme foncière, une réforme sérieuse, une loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour clair connaître que mu responsabilités région proposer un schéma les communes le plan d'urbanisme respectant le schéma nous de le mais tant que euh, amul ben règlement politique foncière bi Tant qu'aménagement du territoire, on a une Agence Dakar qui dit qu'il va aménager tout le Sénégal, alors que le Sénégal, c'est plusieurs territoires. Voilà Ben Aberration Rek Wan que nous sommes une politique d'aménagement du territoire Comment on peut dire que l'aménagement, c'est une compétence décentralisée et on a une agence nationale, alors que l'aménagement, pour nous, n'est une réalité, il faut que les régions aient leur schéma d'aménagement qui répond à un cadre juridique. Mais ça, c'était juste une parenthèse. Pour te dire que, le comportement au niveau local, c'est parce que politique foncière bu personne ne va réformer. Hum. aménagement du territoire bu les régions le droit de proposer quel aménagement pour le territoire de Dakar et que toutes les maires de communes sont obligées de respecter cela ce qui fait que maire plan d'urbanisme fi zone inondable la mëno fi tabax si le sait. Hum. mënut ta def n'importe quoi mais tant que nous fay fay la lu neex mais ça donne notre libre beaucoup à toutes les logiques. Et c'est important Disons que tant que beaucoup ci aménagement du territoire on ne va pas être dans une logique de réfléchir par exemple fu école nek amener commerce sur xam waru hôpital nek réserve foncière parce que par rapport à la croissance démographique hôpitaux bi évoluer prospective dire que Dakar dans 30 ans qu'est-ce que ça va être donc qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui c'est le mon schéma d'aménagement et de développement du territoire. D'accord. Bah, bah, là, euh, on, est accompagné, comme je le dis, euh, au cours, donc, dans cette émission, mais dafa mel ni euh, appel bi xam dina dina perturber parce que c'est un, un panafricaniste aussi comme yow euh, ku la soriwul dara nekk donc foofu la nga xamante ni moom Belgique nekk ay ndaw yoo xamante ni tamit dañuy gëstu bu baax a baax li nga xamante ni mooy mën eh, kanam seen réew Ahmed Zedine. Mm-hmm. Ahmed ah. nuyu na la bu baax a baax ne la egg si la jàmm mu Balla Moussa mi ngi noonu Ngagne ngi la ci euh, jot la ci ngi leen di siyaar bu wér Mansour. Mhm. suñu ambassadeur itinéraire bi siyaar nañ la lu takku. kontaan lool ci émission bi tamit. Mhm. ak thème bi ngeen fi andi tamit. di ko topp ba waaw di tamit sama doomu baay foofu ñoo koy siyaar lu bari. Mhm. ak euh, euh, di beral nag Moussa Balla Fofana jëwriñ jooju ñu ngi koy ñu ngi koy beral nuyoo di ko félicité ci livre bi donte sax ñun jotaguñ ci pour mën gaal yi waaye ñu ngi ciy am ay bribes information di gis tamit yenn développement yi gis nañ tamit lim ci développé lépp mu am solo lool nag waaw mu doon gis-gis boo xamante ni mën naa ne quatre-vingt pour cent éléments yi nekk diaspora bi yëpp dañuy faral di ko di koy di koy commenter sax ci yenn émission yi naan nii la ñuy gisee nii la ñu war a def maanaam surtout nag di gën a am solo muy affaire mooy pôle yi nga xamante ni ay ay pôle yoo xamante ni. Mhm. daanaka parce que Sénégal bu ñu delloo maanaam ca ci architecture bu njëkk ba ni mu amee woon ay pôle ñu naan fii jolo jéeri géeg. Mhm. Euh, Sigicoor rek pôle yooyu noonu mooy pôle de développement bi ñu war a sax delloo si dañu gis ni ñoom même idée yi la ñuy développé mu am solo lool maa nga lay dégg léegi koy posé question nag ci financement bi. Mhm. mu doon tamit li nga xamante ne mooy li ëpp solo mooy naka la ñuy fexe ba góor jàpp ci góor ba ñu mën a yëkkati Sénégal soxali ko jëm loolu mooy idée bi nga xamante ni ci idée boobu la war a gën a accentuer te nag damaa ragal ni dañ cee cof rek parce que binduñu ci lu bari ndaxte tamit même information yi ci jotu dégg loolu yaataluñ ko bu baax mais loolu ma war a nekk sax culture bi ñu war a ancrer ci esprit sénégalais yi ba ñu mën a ñëw am culture boobu pour mën a développer seen i gox. te comme ni mu ko waxee dafa am solo développement dafay commencer sa biir sa buntu kër pour a gën a yaatu donc di féliciter Moussa Ba la foog naa ci liggéey bu am solo bi Ousmane Sonko. jërëjëf. jërëjëf waaw Ngagne Demba tamit. jërëjëf Ngagne Demba moom it. Ah, ah. di ko wax ne ko moom it soxla nañ ci moom it. Mm-hmm. lu parce que moom it ku am ay xalaat yu rafet la. Mm-hmm. bëggoon nañu moom it bu mënee dajale ay xalaatam. Mm-hmm. aussi tamit su mënee tamit même bu dee dafay créer benn genre collectif boo xamante ni dafay dajale yenn ndaw yi nekk ci bitim réew te am yenn xalaat yi pour mën a développer réew mi ñu mel ni moom mën ko jiite mhm. tàggat ñu ci ñu mën cee gën a ànd su ko defee weccoo xalaat yi gën a yaatu mhm. en lépp Sénégal rek moo ñu ñor donc luñ ci mën a kii rek jërëjëf jërëjëf di leen félicité bu baax jërëjëf salaamaaleykum kontaan nañu di ko di ko di ko ñaanal aussi ci at mi ñu dëgmal aussi yàlla na yëpp saawaan baawaan en tout cas la famille aussi ñëpp tal ko fekke ko mën ko parce que li ñuy wax rek picc nga ca kaw xel maa nga ca suuf euh, day ña nga ca bitim réew waaye seen réew rek moo leen soxal

non wax na c'est toujours c'est c'est toujours important et c'est toujours rassurant de voir des jeunes qui nga xamante ne nii ak fu Sénégal euh, ça c'est rassurant et et, j'entends le panafricanisme, j'entends encore il se préoccupe euh, vraiment concernant le développement du pays donc vraiment nous ngi koy féliciter di ko gërëm euh, ci ci ci encouragement yi nga euh, ne ko nag na jënd livre bi te bañ a te bañ a basé wu ci nit ñi li ñuy wax comme comme j'ai eu à le dire ci ci ci ci ci euh, sànq bi ma commencé émission bi léegi. Mm-hmm. finance livre bi trois parties la. Euh, partie bi mujj bi partie bi gën a am solo partie financement bi la donc xam nga lu nga xam ne réservé loo ko chapitre partie nga ko jox ci livre donc loolu moom mënut a mënut nekk loo loo cof. Et, on savait que c'était sur ça que les gens nous attendaient. Mhm. Et, on a livré. Donc, juste, juste prenez le temps de, vraiment vous approprier de, de, cet ouvrage. Euh, d'accord. Euh, je te retourne la parole. Hmm. Waouh. Wow, euh, je pense que euh, fi nga xam ne foofu laa bëgg a duggee ak ak ak Moussa Fofana euh, sànq avant téléspectateur bi di di woote tam nekk Belgique ñu ngi koy jaajëfal bu baax effectivement di ko encourager comme ce que je dis tout le temps rek gars yi ngi un peu partout à travers la diaspora mais chaque jour seen xel mi ngi Sénégal te au niveau fi ñu nekk ñu ngi jéem a mobiliser wu pour xool naka lañ mën a apporter seen pièce à à l'édifice par rapport construction dëkk bi. Mhm. Euh, question boobu noonu euh, réflexion boobu noonu dama koy tourner mu nekk benn question par rapport ak euh, xalaat parce que soo xoolee Bala Moussa Fofana réew yi nga xam ne moom la c'est-à-dire dañuy investir lu bari ci wàllu gëstu parce que soo xoolee même les les les gouvernants seen décision ñu jël yépp dañ koy basé ci ay xalaat yoo xam borom xam-xam xalaat nañ ko au niveau des universités énormément de financement au niveau des universités, au niveau des cinq temps, uniquement pour une réflexion de nous permettre de appliquer au niveau de la base. Euh, nous, au Sénégal, c'est tout à fait le contraire. Nous avons des professeurs qui ont l'économie, on l'a vu aux États-Unis, parce que euh, parce que il a forcément envie de partir, parce que faut le a mmh. euh, Donc Aujourd'hui, à votre niveau, euh, qu'est-ce que vous voulez apporter par rapport à ça euh, Comme nous avons effectivement xam-xam pour que sénégalais yi mën ko di approprier wu maanaam def ko au niveau local au niveau de la base. mais voilà voilà une, question qui est centrale. je pense que s'il y avait un seul sujet nous nous waroon discuter ci l'émission, bi place au xam-xam. du mmh. politique et c'est pas pour rien maintenant xam-xam du bett pour que nit ñi def la différence que ni solution bu leen homme politique mën a proposer muy Est-ce que solution mooy pexe. Mhm. solution bu ñu leen mën ci proposer bés bu teguwul ci xam-xam rek seen la lay mujj. faites la différence entre ce qu'on vous dit ak li xam-xam wax et loolu day appeler benn conscience citoyenne capacité de discernement pour xam homme politique bi li may wax est-ce que mën na ne pexe bii mu may proposer est-ce que tegu na ci xam Tant que le citoyen n'a pas cette, mentalité-là, de questionner la proposition et la faisabilité de la proposition, il va continuer à faire des erreurs. Parce qu'on ne constitue pas. Le régime, c'est la population, il y a, la fête. Donc, population, plus c'est une capacité d'analyse pour poser les bonnes questions et xam pour solution l'autre nekk le donc ta question est fondamentale et encore, j'ai une bonne réponse pour toi, mais je, si je le dis, je parle encore du livre parce que on veut investir dans tout ce qui est recherche et développement. Et recherche et développement nous recherche et développement c'est à partir des dynamiques territoriales les dynamiques économiques, environnementales, écologiques, géographiques, culturelles, toutes ces dynamiques, les neuf dynamiques territoriales, nga xamantene ni mom analyser territoire Dakar c'est à travers neuf dynamiques ngay jangé analyser des études qualitatives quantitatives pour xam Dakar li on veut investir parce que dynamique yoyu xam xam bobu mom mo wara qui plan la planification et ça c'est un, grand un grand un grand homme que j'aime bien citer Hiss qui le disait, il disait que la, planification est l'usage de la science dans la mise en œuvre des politiques. Donc planification, plan d'aménagement, plan de développement, plan d'urbanisme, tous ces plans n'est que dul de xam donc nous xam-xam côté, c'est ko teg une donc on veut et quand on dit que région et union les centres de recherche investir dans la recherche aujourd'hui tey ndar war des recherches sur l'écologie, ban ban ban ban ban ban écologie la ndar ban la ban la toutes ces questions là ces questions purement scientifiques ban ban sociologie la am ban réalité dynamique criminalité bi évolué ci aujourd'hui le nombre de suicides bi ni on ne se pose pas ces questions purement sociologiques de qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre société. pourtant société, il faut comprendre les dynamiques économiques sociales environnementales et politiques tu ne peux pas proposer de plan pertinent dont les objectifs prennent en compte des réalités concrètes qui préoccupent les Sénégalais. Nous par rapport, à ça, moi je pense qu'aujourd'hui, encore, on revient à, l'investissement. Euh, euh, si tu parles avec quelqu'un, bon, mhm. euh, de dans ces pays-là, que ce soit aux États-Unis, Canada ou, la, la France, quand tu lui dis que dans mon pays, on a fait un investissement de 1000 milliards pour construire un terre de 36 km. Au même moment, il y a des populations qui au niveau des villages. Amuñu, madame mhm. euh, maternité, Au même moment, euh, dans nos hôpitaux, euh, les plateaux techniques sont défaillants. Il y a des gens qui dans ce pays-là il faudra partir à l'étranger, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas comprendre. Donc, donc de, me rejoindre par rapport à la par rapport logique d'investissement, c'est-à-dire que les gis rek dafa am. Mm-hmm. tu règles tous ces problèmes là les ça vient naturellement parce que nous, na loo xam ne régler, pas régler, rek li ci ça vient naturellement. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, mais mais Moussa peut-être ça va être ma ma dernière question euh, certes. Euh, c'est une contribution dans l'effort de développement euh, de notre pays parce que as du de nga defal du gouvernement sénégalais qui aspire demain au moins à diriger peut-être ces collectivités. maintenant li wax ci aussi bala y a une étape à franchir par rapport à la vision et autre même on va vers comme on l'a dit tantôt on est à quelques semaines même de ces locales de janvier 2000 euh, du 23 janvier 2022 euh, la quintessence, voire l'intérêt, euh, passez-moi le terme, euh, importance, voilà le mot, bi élection locale, parce qu'aujourd'hui, il y a jusqu'à présent des gens qui n'ont pas mesuré l'importance de ces élections, il y en a certains même qui ont parlé un peu, qui ont anticipé la présidentielle de 2024. ont dit que ça va être le, premier tour. On en a entendu, en tout cas, Tchilou Baré Baré. Il y a gis-gis un peu par rapport à ces locales. Vous savez, Mandama est un amoureux de la décentralisation. Mmh. Donc, moi, je trouve dommage que le comportement président de la République par rapport à notre compétition nous dit biaiser le débat sur le développement. Mmh. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ce livre où qu'on a choisi de, publier ce moment, euh, Ousmane Sonko et moi, pour dire recentrer le débat sur le fait que décentralisation, c'est le développement, c'est les territoires, c'est les programmes au niveau local. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, il est en train de présenter son, programme d'Europe au niveau de la Casamance pour que nous ñi moins le moins décentralisation décentralisation c'est de dire aux populations venez autour d'un programme choisissez le meilleur pour votre développement local réunissons-nous au niveau du territoire réfléchissons pour un développement territorial parlons développement décentralisation c'est développement donc nous, à notre niveau avons importance c'est pour les localités ramener c'est pour le développement le malheur c'est que dañ ko seq ak nga xamante comportement vis-à-vis au pouvoir fait faire de sorte que le contexte est, est biaisé et aujourd'hui avec l'homme de développement avec l'homme d'importance l'importance xam importance décentralisation que c'est des questions de la c'est des questions de développement monotone ou dissocier avec le fait que si jamais euh, Macky Sall, par extraordinaire, venait à remporter les locales, ça ne va pas le pousser à vouloir se présenter lors des présidentielles. Malheureusement pour nous, du fait de, manque de respect de vis-à-vis de la Constitution, parce que nous, sa candidature n'a ni oui ni non, c'est ne pas respecter la Constitution, parce qu'elle est claire. Donc, ce débat sur euh, les élections locales, malheureusement, on a un débat au bilan, un projet de développement. Mais malheureusement, c'est un débat sur les élections locales. Et quand vous leur proposez un livre pour les amener à, s'intéresser à ce livre, ils s'intéressent à l'émissaire, à la personne, plutôt que de s'intéresser au livre. Et encore une fois, ça va être difficile. Mais comme nous, ce livre, comme nous l'avons fait, nous l'avons fait pour les citoyens africains. Parce que nous savons. Nous discuter titre, et ça, je vais vous donner un, scoop. Nous discuter titre, on hésitait à gouvernement locaux et développement des territoires. On, exécute, on, entre exécutif décentralisé et développement du territoire et territoire et développement. On avait ces, trois choix-là. Et la raison pour laquelle on a fini par prendre territoire et développement, c'est que quand tu dis gouvernement locaux, tu, parles uniquement, c'est comme si tu t'arrêtes à l'aspect institutionnel. Quand tu dis exécutif décentralisé, tu fais référence à au pouvoir exécutif le mot territoire symbolisait véritablement les communautés de territoire, le rapport à la terre, le rapport aux populations. Voilà pourquoi on a choisi ce titre. On veut que ces élections soient un débat sur le développement de nos territoires. Et j'espère qu'ils vont venir sur ce débat-là et éviter les laqua. parce que ça ne marchera pas. Voilà, merci beaucoup Moussa Bala Malheureusement, le temps qui nous est imparti

ba ku nekk yéene bi nga am ci réew mi la nga mën koo sottal te na mu euh, que les vraies questions aussi soient posées dans ce pays les vrais débats aussi ñu mën koy mën a amal aussi nous surtout oh. en tant qu'acteur de la presse nga ñu bàyyi la nga tàggoo mbokku téléspectateurs yi euh, waaw waaw Mansour merci beaucoup hein. en tout cas mm. c'est ça a été un réel plaisir et c'est toujours un plaisir pendant à chaque année su ma su ma tolloo fii di xayma euh, li nga xam ni ànd nañ ko liggéey dama ci am kontaan bu bu mag a parce que tant soit peu mu néew mu bari benn contribution la boo xam ni euh, dañ koy def ci réew mi nga xam ne ñun dañ ko bëgg effectivement on est on est loin mais lépp luñ mën a def rek euh, ci li nga xam ne moom lañu yàlla may euh, dañ ko ci def parce que loolu rek moom moo ñu tax a jug di la ci gërëm ko mm-hmm. nga xam ne yow laa ci àndal et c'est c'est grâce à toi que loolu mën a mën a am aussi donc di rafetlu aussi débat yi nga xam ni amal nañ ko fi amal nañ invité yu bëree bari mais à chaque fois. Euh, mm. xam-xam da ci génn lu am solo da ci génn te bokk na également li ñuy doyee ay journalistes ak médias ci réew. Mm. parce que réew yu bari dañuy sukkandiku ci seen ay médias pour mën a gën a conforter seen position sur le plan économique sur le plan géopolitique et que média aussi dafa bokk ci liy nampal aw askan euh, ba gën leen a dëgëral et je pense que yaa ngi joué rôle boobu. Euh, dama la ci jaajëfal bu baax di jaajëfal également ñi ma xam ne ñoom laa yàgg àndal au niveau de la diaspora ñu ànd ak ñoom bëgg émission bi di la suivre di ñu suivre. Mm. Euh, di ñu may doole aussi également au niveau du Sénégal pareillement sama waa dëkk waa Ngaye Mekhe. Mm-hmm. di kontaan ci ñoom parce que ñoom aussi du ñu raté émission bi à chaque fois ñu ngi toog di ñu seetaan di kontaan également ci ñun bu baax a baax di jaajëfal. Mm-hmm. Balla Moussa Fofana et que yaakaar naa ni euh, dinañ amaat possibilité. au mm-hmm. courant de l' année 2000. 22 mu mhm. tasewaat ndax xalaat yi am na solo mhm. yaakaar naa ne ku ñu war a déglu la mhm. ndax euh, li ñuy euh, wax lu Sénégal war a mën a jëriñoo la jërëjëf euh, Ngagne Demba Fall ni nga ko waxee aussi on aura bu soobee suñ borom subhanahu wa taala au courant de l'année à venir janook Moussa Balla Fofana mu toog fii waxtaan wi gën a am chaleur je rappelle aussi que Ngagne li li nga xamante ni musaa Balla def na ko bind na moom it xalaat ñu ko xamee doon waxee léegi ci tolluwaayu réew mi ndax bind na Sénégal euh, tolluwaayu li nga xamante mooy la presse sous Macky Sall démocratie en péril mu doon gëstu la boo xamante ni dafa jëm ci aussi càmbar xool ñun liggéey bi ni parce que nag on est très critique par rapport au politique par rapport à secteur d' boo wax rek on a notre droit de regard mais ñun duñu xool dégleeg suñu bopp duñu xool sunu doxalin ak yu mel noonu te mu def ci liggéey bu ci ayib aussi et docteur aussi je le rappelle aussi et c'est le moment aussi de le féliciter euh, ci liggéey boobu nga xamante ni tey corona na li nga xamante ni la def loo tax ma ni réew mi dañ ko soxla ci du bëree bëri et je pense bien que euh, c'est un message que je lance au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qu'on a besoin de Ngagne Demba Fall dans ce pays-là pour donner euh, des cours à nos étudiants qui excellent dans le domaine donc de la communication et cetera yu lu doon lu am solo la euh, permettez-moi au niveau de la régie, en quelques secondes, de nous permettre aussi à excuser de la répétition à Bala Moussa Fofana ou bien à Moussa Bala Fofana. Euh, voilà, nous avons beaucoup de spectateurs. Bah, écoutez, c'est vraiment un, plaisir. Mhm. C'est un plaisir euh, d'avoir en face des, gens qui s'intéressent à ce pays. Parce que nous sommes intéressés le, débat devient simple, le débat, devient clair et rapidement on discute sur l'essentiel. Mhm. Et, je vous en remercie de faire de cette émission ces endroits de qualité où on peut parler du Sénégal et de ce qu'il fait en Sénégal. Donc c'était un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de euh, refaire cette émission de vive voix, mhm. mais profiter de l'occasion pour, pour nous, sous mon, frère ou diaspora, beral loxo nak beral loxo beral euh, ñi nga xam ne ñoo ma ñoo ma jur ñoo ma yar ñoo ma tàggat euh, j'ai l'habitude de dire que nit ki fi nga mën a yegg sa carrière mhm. ce n'est pas du xam-xam moo la fa yóbbu dafa am sama benn directeur fii euh, qui m'a beaucoup accompagné qui a l'habitude de dire et c'est une phrase qu'il répétait souvent que c'est ton attitude qui détermine ton attitude. Mhm. donc attitude bi nga am ci organisation bi mooy déterminer sa évolution ba da ngay tu te retrouves dans des positions yoo xam ne da lay jaaxal D'où question rek xam-xam mais question jikko questions « question questions « questions question jub question dans question nangu donc Valérie, euh Sénégal mon ko moo le territoire yi ko jox donc dañ leen développé encore une fois merci beaucoup Mansou, mm-hmm. c'est un réel plaisir. Mm-hmm. merci à vos téléspectateurs merci à tous ceux qui ont voulu appeler en tout cas c'était vraiment intéressant et Inch'Allah nous rendez euh, dans les jours à venir voilà on se donne rendez-vous très prochainement Bonsoir, soobee suñu borom subhanahu wa taala euh, Nous mu nuyoo nag on a salué aussi nuyu le cœur des profondeurs le département de Tivaouane euh, Tivaouane De Seydi Hadji Malick bobo, Pire Gouray sama ak 14 euh, régions yi nga xamante ni la 15e région est la diaspora sénégalaise aussi ñuy top émission nous avons une émission pour Bob may Fatli, ci Moussa Fofana il est directeur donc de compte à la Banque nationale du Canada il est consultant international en financement planification et conduite de projets. ancien conseiller technique donc euh, du cabinet de décentralisation du gouvernement du Sénégal c'est de 2012 à 2013 il se réclame aussi comme libéral, social et, grand panafricaniste. En tout cas, ça a été un énorme plaisir aussi de se recevoir sur ce numéro et le dernier même de ce mois. On ne saurait terminer cette émission sans souhaiter une très bonne et heureuse année à nos fidèles téléspectateurs, en commençant par ceux qui sont au niveau de la diaspora, représentés aujourd'hui par euh, notre consultant euh, Ngagne Dembofal, euh, docteur Ngaï Dembofal, excusez un petit walou woowu atum Diam, atum Natangé, ñu fekkee ko ak seen i famille mbas mi nga xamante ni tey perturbé na li nga xamante ni mooy seen liggéey ci bëtim réew ba ci biir réew mi lee yal na ko suñu borom subhanahu wa taala jëlee euh, ba mbir yi saawaan baawaan ba ku ne gis ci sa bopp mënu ma jeexal émission bi nag tey du ma mention spéciale suñu ko on a permettre ñoom ñëpp dañuy ñëw fii ñu gis leen euh, muy équipe technique bi nga xam ne ñoo ñu gunge saa su nekk ci waxtaan wi lee ce sont des jeunes du reste très très engagés et très compétents même macha allah je touche du bois en termes d'innovation. Vous avez vu, on le fait au feeling. On me dit que voilà, c'est aujourd'hui, on va faire comme ça. Et quand on le fait, vous avez vu que ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle la magie de la télé. Et le reste, c'est un message que je lance aux annonceurs aussi. Tu vois, c'est un clin d'œil. Ils n'ont qu'à venir parce que je pense que la bonne graine aussi, c'est ici. Les débats, au Sénégal, ce pas des débats de personnes. Ce pas des, débats de politiciens, de, politiques euh, politiciennes.

Euh, c'est un énorme un réel plaisir aussi de vous accompagner et de partager cette émission à chaque fois aussi euh, on fait signe que voilà c'est aussi c'est l'émotion ça se comprend aussi euh, mention spéciale aussi à la rédaction de la DTV parce que nous, gunge bu baax a aussi mention spéciale à vous aussi fidèles et chers téléspectateurs de leen jox alors, Bin avec toujours le même plaisir.